salaamaaleykum Babacar maa ngi leen nuyu di leen gërëm di leen sant man dañu ñëw bi sàkku ma ko woon Xaarim Njaay ñoom ñoo ko sàkku ni moo dañu laa soxla man ko yaakaar mu ne ay quelques personnes ci mbirum garage moo tax ma woo leen recevoir leen woo ñi nga xamante ni mooy waa bureau ñu toog ba ñëwet li ñuy wax euh, lañuy dañoo bëgg ñu organiser ay élection jaar carte organiser ay élection man leen dèjà loolu defe naa ni euh, nañ ndax bi ñuy def euh, assemblée générale bi ma wootee première assemblée générale woote mbooloo xam ni toog ñu décidé ko ñoom ñu boycotté ñëw ñun dañ koy yàq di ngeen ko yéen presse bépp dem ni dañuy dañuy dëkk bi na tàkk dëkk bi na tàkk da ngeen ko deuxième assemblée générale moo wootaat ko bañ dikkee mbooloo mi moom seen yëf décidé jaay carte dañuy jaay carte mbooloo mi ko d'accord ñu waxtaan ci ñu ci affaire caution yi caution bi bi ñu nee caution million man bokk naa ci ñi ko lànk

caution bi nag man yaakaar ne assemblée nationale bii bii xam président de bi bu amee luy jàll fa la ko jàllale bi mu jàllalee ñi dañoo nànk ñi nangu ñi moom seen yëf ñi dañoo xam ci assemblée nationale bee bi moo la ñu waxaat fii ku amul un million doo dem caution. te loolu mbooloo bi moo ko tënk. mbooloo bi ñoo ko tënk ci kanam huissier yéen a ngi toog yéen journaliste ci kanam huissier bi huissier bi laay jël ci kanam Alassane Ndoye kanam Mbaxane Gomis Alassane moo président réunion bi muy bi dégg nga ñoom nag seen problème mooy toujours problème seen syndicat yi syndicat yi bëgg baax ci Sénégal ci yalla def na senegal bu senegal di rej Alassane doy moo yor base réglement yi ci loo xam la ko ku bëgg ak ku bañ da ko yàlla teg ba mu président réunion bi man sax mom mere na ma ci parce que bañ demee ñu ni caution bi 1 million ma lam sama poste génne sama 1 million. manam ku bëgg nek candidat. candidat ndax ñom ñi ne candidat am ñoo xam seen fukki dem dugg ci garas bi légui bu ñu candidat dof rek ngay candidat la yak ay ay carte carte du lañ am ñoo xam 21 personnes am ñoo xam 13 personnes ñu am ñoo xam ne douze la am loolu nag soo si ne ni mu duñ jël seen xaalis ku bëgg a dem candidat yi yéen yi yéen jël seen xaalis joxe ko dem man nag ma jël sama un million ci dañu Assane Sall joxe ko te Assane doy boole ñoo ko ñu euh, kii Assane li ñu toog fii ñu dimanche tey jii ba dimanche si jël si dimanche bi kay fii la mu fekk ma toog toute la journée gis ñu beneen ku andi ku andi candidature euh, gis ñu ko laaj gis ñu ko joxe dara ma wóor leen fi réunion Assane doy ñëw ne damay installé man ko may ma tuuti ma waxtaan ak ñoom ma xam lu leen tey ñëw ma war oto ñëw fii dafa am fu ñu day dem yoonam di toog tasaate ñoo ba dem kon li leen indi mooy bëgg garas bi ay commission ay nangam ci loolu seen borom nanguñu ko te nanguñu ko suba garas bi yitte naa ko ñettaat chaque année moo tax assemblée leeral seen borom ñoom ñi opposé wu seen ñaar fukk dugg ci garas bi man nag maa bëgg jàmm ak salaam ñeen pour bu ngeen tey moo toll toog waxtaan bi di nga léegi bi may jaay carte fii laa toog commande naa ko Orbey mi may dégg may woo ñoom ñëpp ñu ñëw toog ba ñëwee ñu ni commission ma leen samp naa commission mais bu ngi fekkee carte yi bëggul yéen ñeent ñëpp ñu toog ñu jaay carte ci kanam commande naa ko Orbey ku ñu wax Samb Thiam ñii taxaw ba mu waxee taxaw ñu ne dañuy waxtaan seen biir ma yéen ñeent yëpp leen yàlla def na dugguñu ab laat jënd ñeneen jënd am ñoom ñu lànk may jënd ma dama forcé kenn parce que les may 4448 personnes mais 4448 448 personnes bu élection bay passé mais 2665 ñoo dem élection 1783 nañu est ce que une force de l'union parce que ñi mu intéressé nous sommes seen 1703 nous ñoo jënd fii carte te carte yi ko jox vérifié carte aligné wax élection yi ki Alassane mo joxone dat joxe nit ñoy ñewuñu ma jox sama question xawma ñoon joxani nañ joxuñu mo dama ne du ma ci wax naan ay restaurant da am ak du am surtout ak Alsane Ndoye ma jox sama question lool leer na waye man ci bon sama plan yi jàmm moo tax ma indi ci lii waaye nag ñi mom seen yëf ñu ngi toog ci garas bi dégg nga chaque jour ñu am ci projet yi ak ci réseaux sociaux yi di wax ci li wax dara taxu ci huissier bi huissier bi mu jël mii nii kayit yëpp da ngeen mat chaque jour rajo ba dem huissier laa jël huissier bi bind ko mbooloo ma fa nekk bind na ko dafa nekk bind ñoom nag problème syndical la ñu bëgg a concurrencer nii waaw moo tax xam dëgg dëgg déggoo leen ma ni moom dañu ma installé maa ko pour ma xool ñoom ba xam lan mooy seen xalaat dégg nga moo tax ma ne du ci jël décision ci toog maa moom parce que tey dafa dem ab réunion syndicale moo tax fekk woote naa réunion pare mu ni moom du mën a ñëw respecté leen moo tax ma bàyyi réunion bi jàll ndax ma naa ne assandoo Ndoye ñëwul du ma ko du ma ko déggee côté naa dama lay jox respect moo tax bi am ma bàyyi ba Assane ñëw ma toog moom ñawal gi daal mooy ñooñu ay opposant lañu ah nañ dal ni ñoom ñi ñoo tax may demaat may demaat candidat ndax opposant yi tàmbali nañu ko ca sama première année bëgg na yàq euh, assemblée nationale deuxième dañu ko yàq kat troisième bëgg a yàq kon opposant yi moo tax li ma la wax rek ñu ne problème syndicat yi topp seen ginnaaw mooy ñu pousse ci loolu dañ ci dakk nañu daal Pape Diop mii bu doon sagob sagob bàyyi waaye ñii moom seen yëf ñoo ma doo bàyyee nii il faut ñu toog ba am lu tegu ci sa yoon ñu teg ci yow dama ne dama ne laaj laaj yi. secrétaire général moo yor loolu. dégg nga waaye dama ne bu leen neexee nga def micro-trottoir fii ci garas bi laaj laa la wax wala ci région bi man boo gisee may def yi euh, président regroupement national may premier adjoint moo tax. gaz bi amee problème gaz bu am problème ci région bi wara taxaw ci yenen dëkk yi euh, président du gouvernement Dame Lo damay yabal ma fay dem kon motax mané may wut jam li li lii loolu la ndax premier adjoint national motax yépp ma ci wut ci jam li ci di bon on euh, on va parler de de quatre de quatre proposants donc ce ce sont eux qui ont convoqué ces réunions bon on a répondu favorablement à ces réunions il y a eu des discussions qui s'en sont sorties. Euh, ce qui est sûr et certain qu'on a respecté toutes les procédures. Actuellement, j'ai en main des documents de PV, de COSA, faits par un huissier, que j'ai sous la main. Tout ce que nous faisons ici dans ce regroupement, nous le faisons sur papier, avec, des, avec beaucoup de responsabilités. Et aussi, nous faisons de telle sorte que tous ceux qui sont ici comme autorités reçoivent ces documents en, temps. Qu'est-ce que vous nous dites comme précision par rapport Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a euh, convoqué une euh, assemblée générale qui s'est tenue au casino de Thiès. il euh, y avait tous les membres du regroupement qui étaient présents. Ce qui en est sorti, c'est qu'il y avait un dépôt de candidature. Il y avait le secrétaire général Sando qui était présent. On a lancé un dépôt de candidature pour une semaine. Donc il y avait une caution de 1 million qui a été fixée. Et nous, nous avons pris notre 1 million. Le président Yassine Diop a fait part de sa candidature, a déposé son 1 million, plus sa carte de membre, sa pièce d'identité et son casier judiciaire. Donc on a attendu une semaine, on n'a pas vu une autre candidature. Ce qui s'est passé, c'est que le secrétaire général Sandoy avait demandé d'installer le président Pape donc comme il n'y a pas d'autre candidature. Bon, le président, vu sa transparence et se souciant des opposants et des membres du regroupement, a demandé tout simplement au secrétaire général de reporter cette euh, installation. Pour continuer les négociations Pour continuer les négociations, parce qu'il les a appelés à collaborer et à venir euh, travailler ensemble avec lui. Non, de toute façon, on est ouvert aux négociations. Euh, de toute façon, tout se règle sur une table. Même les guerres les plus grandes dans le monde se sont retrouvées réglées autour d'une table. Donc nous, nous ouvrons la possibilité à tout un chacun de venir et qu'on discute. Parce que c'est un mouvement qui nous appartient, nous tous étant chevaux donc il n'y a pas de discrimination. Et vraiment, tous les conseils sont bons. Ce qui est sûr et certain, on aura à écouter le secrétaire général Sandoy qui va venir ici. Et à partir de là, on saura où, de, sur quel pied danser. Quoi. actuellement, d'après notre dernier recensement avec euh, le renouvellement des cadres euh, membres, on en était à 1703 membres qui ont renouvelé leur vous, savez, vous savez, les 4000... il il y, avait, y, avait, y avait un contexte qui s'était passé. C'est-à-dire que les gens, souvent, c'est comme si euh, ce qui s'est passé récemment avec les élections qui sont passées au Sénégal, il y a eu un, engouement qui a poussé les gens à aller s'inscrire. Parce qu'il y avait un pouvoir qui était là, beaucoup de chevaux étaient mécontents de leur façon de faire. Donc euh, il y avait une révolte, les gens voulaient coûte que coûte, les, les bon, euh, voulaient reprendre les choses en main ici. C'est ça qui a fait qu'il y avait une inscription massive. Les gens sont allés voter massivement. Mais à partir de là, peut-être que, comme nous, depuis qu'on a pris le regroupement, il y a eu un travail qui se passe très bien. La partie sociale se déroule correctement. Il y a la paix et vous le remarquez vous-même que ici, vous avez la possibilité de faire une conférence de presse au niveau de la gare Et puis il n'y a eu aucun mouvement d'humeur qui s'est manifesté ici. Donc c'est ça qui montre que nous qui sommes là, nous travaillons en toute quiétude. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quatre ou trois personnes qui sont là au dehors et puis qui alertent les moyens de participer là, qui doivent faire. Mais c'est des gens qui ne peuvent même pas vous amener quatre personnes. Donc ils n'ont même pas quatre personnes avec eux. La preuve, c'est que vous êtes là devant le bureau du regroupement en train de faire une conférence de presse alors que vous voyez les de paquet correctement à leurs activités. Si c'était le cas contraire, vous allez trouver que les gens vont venir là avec des huées et du n'importe quoi. Bien sûr, d'après notre dernière euh, Assemblée générale, on a mis sur la table un bilan de 9 millions et quelques qui avoisine les 10 millions comme argent liquide qui est là disponible dans nos fonds, euh, dans nos caisses. Et aussi, euh, on a une partie sociale que je gère moi-même. actuellement même, je suis en train même de, de distribuer des gens. On a environ 165 personnes qui recevent chaque mois 5000 francs. c'est des anciens sauveurs, certains sont handicapés, d'autres sont, euh, ont perdu la vue, ainsi de suite. Donc c'est des gens, que, donc ça montre que nous on, fait du social. Il y a des gens même qu'on couvre leur opération et leurs frais médicaux. D'autres aussi, on, couvre, on, se déplace aussi pour aller dans les cérémonies euh, religieuses comme, comme des mariages et ainsi de suite. Donc nous, ouvrons sur la partie sociale aussi. Mais M. Diable, l'autre aspect ça fait partie de l'épine hein, du transport à test de maraudage. Vous avez essayé, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore réglé. Qu'est-ce que vous dites à, ces nouvelles autorités-là Bon, vous savez, vous avez tous touché, un point sensible. Vous savez, le maraudage, euh, euh, c'est un point très sensible pour nous et que nous avons combattu, mais malheureusement, nous n'avons pas eu la solution escomptée. Donc le maraudage, ça ne peut pas se régler entre civils il faut l'armée des autorités. Quand je parle des, autorités, c'est particulièrement les forces de défense et de sécurité. Ce sont eux qui peuvent venir combattre ce fléau-là avec nous. Parce que vous voyez la gare il y a combien de véhicules qui sont là Et tous ces gens-là n'attendent que le tour vienne sur la piste pour qu'ils puissent embarquer des gens et pouvoir les amener à bonne destination. Donc c'est leur gagne-pain. Et comment se fait-il que nous, on remplit les conditions, on a notre agrément, on nous donne notre licence, nous avons notre peine de transport en commun. Non seulement nous, avons aussi une licence que l'on nous donne avec, euh, euh, au niveau du service des mines. Il y a, aussi euh, le, problème que, le, problème actuellement qui se pose, c'est que vous voyez une voiture qui sont là, qui d'attendre des clients, alors que les clients sont interceptés au dos par d'autres véhicules qui ne remplissent pas les conditions euh, et qui, euh, comme ils veulent à leurs occupations sans être emmerdés. nous n'avons pas une idée exacte, mais ce qui est sûr et certain que nous, ce que je sais, c'est que nous, au niveau de notre garage, on peut avoir, par exemple, supposons, on peut avoir 60 à 70 départs sur Dakar de cette place. S'il s'agit des cars, on peut avoir une quarantaine par jour, par, ce jour, qui, hein. ce qui est sûr, que si on a 50 ou voire 60 départs, c'est qu'eux, ils en ont le double. Vous voyez, ils ont le double parce qu'ils euh, ils peuvent amener les gens jusqu'à Colobane, voire à, à l'intérieur de la ville au niveau de Dakar. Mais nous, par contre, nous, on nous dit que vos clients que vous prenez, vous les amenez juste à la gare des Beaux Marchés. Et quand vous descendez quelqu'un à la gare des Beaux il a un problème pour pouvoir se déplacer jusqu'en ville. Et vous voyez là le problème. Donc il est obligé de débourser le double de ce qu'il a payé pour être transporté jusqu'à Dakar pour pouvoir rentrer en ville. Vous voyez l'handicap que ça fait. Donc c'est un problème. Vous voyez, euh, euh, d'abord, il y a la paix. Il y a la paix. Et, tout commence d'abord par la paix. Parce qu'il faut avoir la paix pour pouvoir exercer. Et vous, le constatez de vous-même. Je dis, il n'y a aucun débordement qui se passe actuellement dans la carrière. À partir de là aussi, ils se sont organisés. On a trouvé la quiétude, les gens vont à leurs occupations tranquillement. Aussi, ça nous a permis aussi, il y en a beaucoup de vieux qui étaient là, qui venaient, qui faisaient du travail comme du coiffeur, et ainsi mais on leur a dit de rester chez eux. Et chaque jour, on leur doit des salaires journaliers. On leur Des fois, même, il y en a qui on leur des salaires mensuels. Et puis, chaque aussi, il y, a il y a une somme d'enveloppe de presque 100 000 francs qu'on l'on donne à tout un chacun qui travaille dans cette carrière-là donc ça, c'est du social. C'est Je suis le conseil technique du président sortant, Pabio. Aujourd'hui, notre rencontre, c'est... On l'avait sollicité pour une concertation de la situation de la gare De Thiès. Nous tous, nous avons vu que son mandat est expiré depuis, depuis le 13, depuis, depuis le 13 décembre, j'étais son conseil technique de l'actuel président. Son mandat est expiré depuis 13 décembre 2023. Donc, il n'est plus le président. Nous avons fait beaucoup de recours vers le préfet. Ce que nous avons constaté, on dirait que l'actuel préfet est complice. Nous allons saisir le gouverneur et les autres autorités par le ministre de l'Intérieur avant que trop tard ne se reproduise dans la gare Vous tous, vous savez, s'il y a aujourd'hui élection à la gare c'est grâce à nous et Mbaïnian. On s'est battu pour qu'on puisse arriver à la démocratie par les cartes. Lorsqu'on avait convoqué une réunion à la Chambre de commerce pour parler de l'ordre du jour de caution, moi j'étais là-bas. Nous, nous, nous sommes plus de 4000 membres le jour de la rencontre à la chambre de commerce, il n'y avait même pas 2000 personnes. personnes. Donc on n'avait pas atteint le chrome pour pouvoir valider. Mais si l'Assemblée est présente et nous sommes 4000 membres, lui il a saisi 4000 poussières. Lui il a saisi ce qui les intéresse, il, il les a convoqués. Les autres candidats n'étaient pas au courant, n'avaient pas convoqué leurs sympathisants. Non, on ne peut pas aller dans ces conditions d'élection. Ce n'est pas nous de l'organiser. C'est l'autorité administrative. C'est une association privée. Mais au niveau national, partout il y a des problèmes, c'est l'autorité administrative qui prend en charge la décision d'organiser les élections. C'est ce qui se passe ici à Thiès. Ce que nous allons décider de faire, nous allons saisir les autorités, le gouverneur, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et même le Président de la République. Parce que nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens. Avant de venir ici, de se battre, nous allons saisir, épuiser tous les voies de recours. S'il n'y a rien à faire ce qui va se passer va se passer ici dans la gare. Non, vous savez, nous allons prendre toutes les décisions. Mais avant qu'on prenne aucune décision, nous allons saisir les autorités d'abord. S'il n'y a pas de solution, nous allons prendre nous-mêmes nos responsabilités. Ce que nous allons dire, après nous allons, ce que nous allons faire, après nous allons vous convoquer pour vous dire non, pour le moment, pour le moment, pour le moment, nous n'allons pas boycotter, nous n'allons pas dévier les autorités, parce que nous sommes dans un pays de démocratie. Nous sommes dans un pays où il y a des lois et des règlements. Nous sommes membres du secteur du transport. Nous avons un ministère de tutelle. Nous allons saisir notre ministère de tutelle le pays, la sécurité est gérée par le ministre de l'Intérieur. Nous allons le saisir. Nous allons épuiser tous les voies de recours. Et nous savons sûr que nos autorités feront quelque chose. Donc, c'est ça qu'on appelle aux autorités. Il faut agir avant qu'il soit trop tard.